coucou tout le monde de fata alheri zuwa je reprends mon souffle <laughs> vous allez comprendre pourquoi au fait je suis essoufflé ce numéro il est super rythmé vous l'avez entendu et suivez-nous pas à pas pour comprendre pourquoi. Yo, Hirarawa, <laughs> c'est chaud. <laughs> Yo, Hirarawa, haɗa mu a nan filin shakatawar da ake cema blue zone ta babban birnin yamai kuma abin da ya samu ka ɗauko wannan maudu'in a wasu matasa en ont fait une carrière à l'exemple des danseurs de Asoka Dance, les battles de danse de Niger Roulette qui se tiennent régulièrement à la blue zone de Niamey nos danseurs ont représenté même le pays, par exemple à l'exemple des Jeux de la francophonie à Nice en France en 2013 ou encore récemment au, à la République démocratique du Congo. Vous étiez encore là pour représenter le pays. Aujourd'hui à la FADA, nous voulons mieux comprendre cet univers rythmé de nos jeunes amis et on a commencé par la pratique. <laughs> Comment organisez-vous vos activités et quelles sont les opportunités que vous offre la danse Comme invité, nous avons à ma droite. Moi, c'est Sekou Bourema, connu sous le nom de Cheikh Fatal. Euh, je suis le président de l'association Le Club Afro Dance Club qui est situé ici à la Blue Zone. je suis prof de danse afro, prof de danse sportive. to ka da zuwa bisa kan shirin tusa da fada in na gane dai kai mushan rawa ne eh. kana koyawa kuma rawa hatta motsa jiki eh, ana yi ana yi ga rawa nan ta shakatawa ta ayi wasanni kai kuma ga mun sunan naka je reprends au nom de Romarico Nadia, danseur tradi moderne et traditionnel et fondateur du groupe Romania et je donne des cours de danse au niveau de l'université Abdou Ok, to shi mushan rawa ne kuma rawa ta gargajiya yake koyawa. to kai ma barkan ka da zuwa bisa kan shirin dusa fada. ni dai har yanzu dai abun sai a hankali <laughs> su kun ga aka ni kuma duk na girgizo a nan kai kuma ga yawan sunan ka Ibrahim Mahmoud isiaku. connu sous le nom de Bibo Junior je suis artiste danseur étudiant et je donne des cours de danse aussi kai kana iya maho sabon muwan ko turanci ya fara yawa ala kadan kadan aha kai ma eh. kadan kadan ne to shi ma dai rawa yake kuma ana ce mishi Bibo Junior eh. su ne masu break dance kenan haka kun ga wannan rawar da ake yi ana lankwashe lankwashe ana juye juye-juye kai na ƙasa ƙahuwa suna sama ana wani haka kamar robo to shi irin shi ne yake <laughs> a wannan fadar muna jiran wasu amannan namu suna nan tahe suna hanya in suka zo za mu ci gaba da shirin namu tare da su to kun gane dai shirin namu yana da 'yan kaɗe-kaɗen shi ya pat fada sans musique nous aurons la, la rubrique rose sur cette émission et la chronique top c'est parti la danse agnami Niamey. Quelle opportunité pour les jeunes. Maudu un fadar mu kenan da mu gane

Dis-moi, tu fais quoi et quoi comme danse Là, on a de la danse traditionnelle, on a afro, on a breakdance. <laughs> et toi, tu fais quoi Moi, je pratique plusieurs types de danse. Donc, je suis dans la danse traditionnelle, dans les danses urbaines, donc les danses afro, tout ce qui est en afro, hip-hop et tout ça. Les danses africaines, parce qu'il n'y a pas que traditionnelle du Niger. Mhm. Et les danses afro-latines qui comportent la salsa, la kizomba et la bachata on se sent privilégié de vous avoir tout ce temps. On a l'impression vraiment d'être avec les, <laughs> les boss des boss. Quoi. Bah, je vais direct à ma première question. Pourquoi gaya yo yaushe ne kuka fara jin sha'awar wannan rawar da kuke yi kuma yo ne kuka fara kuka shiga cikin ta kwa. C'est quoi? chèque fatal. Comment ça s'est passé pour toi? Ok, la danse, j'ai commencé à kiffer la danse ah, depuis. Ok, tun yara tana ne na hora. Mm. Rawa ya hora birgeni. Mm-hmm. Tun yara tana. don jiku cikin kartiye ana yin wasu show-show hakan ga kenan muna ta muna dan rawa e, cikin wanda suke rawa kuma ina cikin wanda mutane suna so tun yaranta ana ta cira ni don c'est parti de la ni kuma an fara kawo e, abun gana rezo socio in nan nescafe nestele hakan ga mm. kenan ina hau ina rawa ana bani jusqu'à ce que mutane ma ne suke kira na suke dan tel endroit ana rawa da tel endroit et c'est parti de là na cito to cikin rawa ina dan samu abu yayi min in zo ina ta bugu balo tunda deja ba na iya balo in nan da ba c'est juste pour du sport to cikin rawan na ina sport kuma ina samu wasu abubuwa Donc c'est parti de là. Neche Makena, déjà c'est une passion ina. Et là, ça fait combien d'années que tu es euh, dans... Dans la danse, c'est depuis euh, l'enfance. Donc, en fait, t'as pas arrêté J'ai pas arrêté jusque-là. Et ça fait beaucoup d'années. Hein. Euh, ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Ok. On revient vers toi, Miss. Alors, toi, tu as carrément une compagnie de danse. Compagnie, ça veut dire que tu enseignes, tu encadres et tout aussi. Ça a commencé depuis quand ça euh, la danse ou Oui, la danse, la passion pour la danse, la pratique et tout. Comment ça s'est passé pour toi euh, Ça a commencé aussi depuis enfant. Donc depuis l'âge de 5 ans, 4 ans, j'avais déjà commencé à danser. Mais mes premiers professeurs, c'était mes parents. Donc, ah ouais Oui, et surtout ma maman. C'est elle qui m'apprenait à danser. Et après, pour quelques célébrations en famille ou les petites célébrations entre parents, amis, connaissances, on prestait avec ma grande sœur. On était deux. Alors on a eu des professeurs de danse qui, qui venaient à la maison nous apprendre à danser. Et au fur et à mesure, moi, j'ai développé une passion dans ce domaine-là. Mais ma grande sœur, elle, elle, voilà, ce n'était pas trop son truc. Donc c'est ainsi que j'ai évolué. Donc malgré les études, quand même, je continuais jusqu'à ce que je sois arrivée à l'université. Et euh, quand je suis arrivée à l'université, je me suis dit, je danse, il y a des gens qui aiment ça et ils veulent que je leur apprenne, donc pourquoi pas. Donc c'est ainsi que j'ai commencé euh, avec euh, un ami qui lui aussi a son club. Et après, j'ai créé ma compagnie de danse pour enseigner, surtout les femmes à danser parce qu'elles sont plus à l'aise lorsque c'est une femme qui leur apprend, à danser. Donc en gros, c'est ça. ta ce ita wannan rawatin tana yarinya ta fara shi kuma tare da uwayenta ma hallo rawar take kuma a gidan nasu in ana kama wasu yan shugulgula hakan ga ita da su zo suna rawa yanzu da hayyaka inda take da kamfanin ta na kanta na koya rawa kuma take koya ma mata da yan mata suke zuwa suna koyan rawa a ta <coughs> to zan zo wajen traditional kimu non je peux dire pour moi c'est venu par hasard okay. parce que oui c'était des amis qui étaient partis au niveau de la maison des jeunes, Yad Mm. Donc de retour, ils sont venus, ils m'ont trouvé à la fada, comme on le dit. Ils m'ont dit pourquoi ne pas aller danser. Au début, vraiment, c'était pas ma tasse de thé. Je préfère plus le, le foot et autres. Mais ils m'ont dit de venir, on va essayer. C'est comme ça, on est parti de là, on, est, on a intégré le groupe Soukabi en 2005. Ah <laughs> Donc c'est de là-bas que c'est parti. On dit l'appétit vient en mangeant. Après, ok, il est super passionné, il le fait bien et il a commencé, on a commencé déjà un petit cours ici <laughs> en début d'émission. Je vais revenir vers le robot. <laughs> Breakdance. En fait, explique, euh, explique à nos auditeurs qu'est-ce que tu fais comme danse Qu'est-ce qui est particulier de la danse que tu fais Oui, B-Boy Junior. Oui, euh, le breakdance, on dit B-Boy. Naya. Top. Voilà. <laughs> <coughs> Eh, hausan nan ba iya ta bare abin da sa la particularité de notre dame c'est que in ana rawa da komi ana rawa da kawa bisa bai ma ana rawa ko bisa wuya ma ana rawa ko ina ana rawa ya hakan ga gyara mikro da kyau haka mhm. ana rawa ina da ina da ina wannan ko ina ana rawa ko da idanun ba ana rawa seriya ku ne masu rawa da kai da wuya da baya da ko ina ana rawa da shi Est-ce que c'est une danse plutôt euh, dangereuse pour laquelle vous vous préparez Comment vous faites pour tout tourner dans vos corps comme ça et vous tournez la tête et puis vous êtes euh, les, les, jambes à l'air là Comment vous faites C'est une danse qui est dangereuse pour ceux qui sont pressés. Les gens qui voient la chose d'un coup, ils se disent je peux faire ça. C'est trop dangereux pour eux. Parce que c'est des pas qu'on apprend par étape. C'est étape par étape. Si tu vois un pas, la personne fait sur scène, tu te dis je peux faire, tu peux te casser un bras ou même le cou. Donc il faut être patient avec la danse, il faut aller mollo mollo, comme on l'a dit. Ok, waouh. Et Afro-dance Check, dis-moi, Afro-dance, il y a quoi et quoi dedans C'est quoi et quoi comme danse En fait, l'Afro-dance, c'est de la danse africaine, danse urbaine africaine, donc qui regroupe plusieurs disciplines. Mhm. Donc euh, la danse traditionnelle, people, tous les danses sont dedans. Mais il a sa manière de, de rythme, quoi. Le rythme, il est différent des autres. Ok. Mais c'est de la danse. Africaine. Et c'est des danses que vous, de, de partout. Comment Rwanda est qui gagné Comment à Côte d'Ivoire, na Bénin, duka, ina duka, duka, duka, des africaine duka. Un zuma an gama ma de Rwanda euh, euh, occidental non. Chang na na Et Eh na turawa. Eh su afro dance déjà si il a été créé euh, en fonction de l'afrobeat. Ok. De, de wani mutunda da ce Mafela Kunti. da yake nigeria shi ne ya yi kire in shi a dola sai party don bitin nan ne ya kire mena duka rawa da ke gani ana yayi bisan shi to kenan yanzu kamar kai da kake irin wannan rawa hmm. wani ne ya zo ya koya muku ko a tele ne kuke gani ko ku ya ni kuka koyi wannan rawa question in nan ya birge ni dama muna da matsalan nan a garinmu wanda suna zo su koya mun an tuka a tele a youtube an tuka bisa rezo sosai mun ka kallo mun ka koya mhm. mun ka koya shi kadan kadan juska suke wanda suke al sun gani da nan ma ana yi irin su mm. su ma sun hara eh, abun ga inmu suivre inmu okay. et après muna yin wasu demand à travers les connaissances da muka samu bisa rezo sosai sai mu ce musu vala vala su zo su kama mun sannan ne sun ka har zuwa c'est juste passionnant cet univers de la danse et euh, dans cette émission j'ai l'impression de plonger vraiment J'espère que mes auditeurs aussi comprennent mieux au fait ce que vous faites, comment vous avez commencé et on va poursuivre cette émission. Mais avant cela, on va observer une petite pause pour écouter la rubrique rose de l'émission ça à la Fada et on se reprend juste après sur la piste de danse de la Fada. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou amis de la rubrique rose. Dans ce numéro spécial beauté, votre chroniqueuse Bibi s'attaque à la peau et Fanta s'attaque aux cheveux. Les deux ont besoin de soins quand le froid s'installe. Pour ce qui est de la peau, elle peut être sèche, terne ou cendrée quand le froid s'installe. Les peaux noires ou métissées sont particulièrement sujettes à la déshydratation. Elles supportent mal le froid et pour s'adapter au changement climatique, le fonctionnement cellulaire des peaux noires se dérègle. Résultat, elle souffre de sécheresse. La peau noire possède un fort taux de mélanine avec plusieurs couches épidermiques ce qui offre non seulement une meilleure protection naturelle contre les agressions extérieures face aux rayons ultraviolets du soleil, mais aussi du vieillissement cutané. Néanmoins, les peaux foncées sont également plus sèches que les peaux blanches, <laughs> car elles contiennent moins de céramides, principale substance grasse de l'épiderme, ce qui diminue leur capacité de rétention d'eau. Lorsque le climat est froid et sec, une sensation d'inconfort survient. La peau est alors rugueuse, irrégulière, plus terne. C'est pourquoi il faut éviter d'utiliser les produits trop agressifs, comme les gommages à grains, ceux qui ont tendance à irriter, au profit des soins doux pour peau sensible et déshydratée sans oublier l'application d'une crème hydratante de nuit. Pour retrouver souplesse, élasticité et éclat, une routine adaptée s'impose. Dans l'espace beauté de demain, nous aurons un zoom sur les meilleurs soins hydratants pour traiter et apaiser les peaux noires et foncées, aussi les gestes à adopter et à éviter. Coucou les filles, ce soir je vous invite à faire des tests sur vos cheveux. Vous passez votre vie à les aimer ou à les détester, bref, vous les soignez, vous les torturez aussi parfois. Vos cheveux et vous, c'est une histoire d'amour pleine de rebondissements, mais au final, est-ce que vous les connaissez vraiment On pense souvent connaître nos cheveux comme si on les avait faits, pourtant il y a une grande différence pour qu'il n'en soit rien. D'abord, parce que la nature des cheveux peut changer plusieurs fois dans une vie ensuite, parce que ces coquins sont bien plus complexes qu'ils n'y paraissent. Vous avez envie de mieux connaître et de comprendre votre type de cheveux Alors, c'est ici que ça se passe. Est-ce que vous avez des cheveux fins ou épais avant toute chose, la première étape pour découvrir qui sont réellement vos cheveux est de savoir si vous avez une fibre épaisse ou non. Pour faire le test, prenez soin de laisser sécher votre crinière à l'air libre, puis arrachez un seul cheveu avec délicatesse, que vous déposerez ensuite sur une feuille de papier blanc. Découpez ensuite un peu de fil à coudre, tout ce qu'il y a de plus classique. Il vous servira de repère de mesure. Placez votre cheveu à côté du fil si celui-ci est plus fin que le fil, alors vous avez des cheveux fins. S'il est de la même épaisseur, c'est que vous avez un type de cheveux moyen. Et enfin, futé comme vous êtes, vous l'aurez compris, si votre cheveu est plus épais que le fil, c'est donc que vos cheveux sont considérés comme épais. Merci bien Fanta. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à demain pour encore plus euh, de conseils sur le soin de la peau et des cheveux. C'était la rubrique close de l'émission Tout ça la On revient sur la piste avec nos pas de danse enseignés par nos professeurs de danse, nos grands danseurs qui sont sur la fada aujourd'hui. On parle de danse traditionnelle, on parle de afro-dance, on parle de break dance. C'est vraiment de la bombe cette émission. <laughs> voilà, je vais poursuivre cette émission avec Eunice de Eunice Dance Company. Nous sommes avec Chek Fatal euh, qui fait de l'afro-dance. Nous sommes avec Romaric, B-Boy Junior qui danse avec tout. Le cou, la tête, il même les yeux, c'est incroyable. Maintenant, je voudrais bien savoir, et c'est qui les danseurs avec qui, au fait, vous travaillez C'est des artistes, c'est des étudiants, b-boy C'est dans votre groupe, là Il y a qui et qui, au fait Il y a des étudiants et des élèves. Ah, ah. ouais. Ok. <laughs> Après, ceux qui viennent dans vos cours... Euh... Romaric. Romaric. Vous dansez avec qui et qui, au fait Est-ce que les jeunes de partout s'intéressent à ce que vous faites Vous avez des des jeunes de partout qui viennent Oui, c'est comme on dit, il y a un mélange. Hein. Il y a uh-huh. même des fonctionnaires qui viennent apprendre. Oh. il y a des gens, ils aiment, mais pas de façon à professionnaliser le, truc. Juste, ils aiment la danse, ils peuvent te voir, il y a des cours privés qu'on donne. a, mais la majorité de nos des apprenants, c'est les étudiants, étudiants et élèves. Et donc on donne, moi généralement je donne des cours au niveau de plusieurs établissements de, du Niger, de Niamey. Comme l'ENSP, ça fait sept ans qu'on a un partenariat. À chaque événement qu'ils organisent, ils font appel à moi et je suis, je suis censé et m'occuper de leur danse. Ok akwai ɗalibai kace har ma'aikata ma suke zuwa mm. suna wannan rawan da ku wasu su maida ta sana'a su ci gaba ko wasu kuma kawai dan dai a shakata dai a wala suke zuwa suna wannan rawan to nous voyons plein d'activités autour de la danse parfois même à l'international des concours, des cours parfois payants. A cikin wani fanni ne kuke samun kaman daman cin gashin kanku? Eunice, euh, qu'est-ce que ça vous donne, par exemple ta compagnie de danse, qu'est-ce que ça vous donne comme qu'est-ce que vous avez comme opportunité, comme ouverture euh, grâce à la danse Et euh, est-ce que vous, vous, arrivez à gagner votre vie ou vous avez une autre activité Qu'est-ce que vous avez comme opportunité dans cet art Il y a quelques mois, si on me disait que j'arrivais à gagner ma vie grâce à la danse, je dirais non. Mais maintenant, je dirais oui. Parce que ce qu'on a comme opportunité, c'est plus tu te fais connaître, plus tu travailles bien et plus les gens vous appellent au fait pour travailler avec vous. Et il y a plusieurs opportunités. Il y a des formations payantes, il y a des concours auxquels on vous appelle à l'international parce qu'on vous a vu sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui veulent prendre cours quand même. Il y a des gens qui vous demandent est-ce que vous organisez des soirées. Donc vous êtes obligé d'organiser des soirées parce que la demande est là. Donc c'est tout cet ensemble de choses qui font qu'on on arrive à gagner notre vie par rapport à la danse. Ok, mutane suna gayyata ku a wasu shagulgulan nasu kuna tafiya har kasashe kasashe kuna cin kama eh, me ake cewa kuna kara tare da wasu E, vous gagnez des prix kuma mutane suna zuwa suna biya hallo don don ku koya musu rawa. Zan dawo wajenka euh, breakdance. Là, ça bouge hein, vraiment. Je vois plein de battles. Et ces battles, c'est quoi comme ouverture, c'est quoi comme opportunité, ça vous rapporte quoi en fait tous ces battles que je vois. Chaque battle que tu fais, ça uh te donne l'opportunité d'aller à un autre endroit. C'est hausar lamba ta gasu ba. To, wannan battle king kamar kuna kara da wasu wanda suke irin wannan rawar ta kare-karyen kasusuwa. Haka ne, haka ne cikin karo ne wasu kuma suke koma ganin ka. abu ya birge su daga can ne kuma ka samu wanda zai koma ga yadda ka ciki wata ƙasa haka haka ne kuwa. ok to akwai kuɗin da kama a za a yi akwatanta kamar kuɗin in kuna samun wani kuɗi ko wani abu a shakfa an kuka yi wannan batololin naku akwai wani kuɗi da ke hitowa sadefan da batolin da kun kai akwai wasu ana cewa wanda ya ci gasan duka shi kaɗai ke samu a wasu kuma a ce ana ba ana ba mutane kaɗan kaɗan. Mm. amma ni wanda nake kudin da nake samun cikin rawan sosai ba na cikin batul ne karanta mm-hmm. eh, karantar da rawa koyartar da rawa nake kwa daga wajen batalin ne in na ta yi akwai mutane masu zuwa kallo suna cira na su ce ana so suna so a koya ma yansu daga nan ne sai su biya ka eh a to masha Allah shakkai kuma ha a nan buluzon kai kuke da ma salma eh a bluzon ne muke da masal tunda abun da ya bari muka samu ide in sal'in in mm. abun da ya bari muka samu ide in sal'in kaman il fut un temps il y avait euh, des petits soucis dans, euh, pour avoir de l'espace muy euh, entraînement et mou donc c'est parti de là ne tobo mute stade muna te stade mutane suna zo suna sukoya. suna so su koya kenan na fara shi can nake to duk wanda yake so ya koya ga firi inda yake yi yanzu na fara samun mutane da yawa sun ka ce can ana ganin su ne sont pas à l'aise mm. donc c'est parti de là na zo na ta nemo sal na ta nemo sal la da Allah ke yi blue ya zo donc on avait fait des trucs à la blue qui a fait en sorte que ensemble mu da na zo na gane su sai sun ce min to muna essaye tun da sun gani na fara can ina da mutane kenan idée in salle ni yezo muka okay. de salimu donc c'est à travers la salle on donne les cours et mm -hmm. wasu suna da cocktail ko woni abunga hakanga événement hakanga evenement hakan ga suna so a yi forme e kuma muna forme jeune da muna kai su uh, wasu événement da ake biyan mu to yanzu kaman in mutum yana so ya koyi rawa kaman nawa zai biya wala in mutum yana so ya koyi rawa yana inscription ne deja akwai istiloli da yawa à mhm. quoi traditionnel, hip hop à quoi zumba danse d'entretien de corps quoi afro Donc, j'ai un mutum yana so ya un in inscription 5000 ne par, par mois non non inscription à ah, inscription qui ma 5000 000 nés. ok yanzu par mois rubuta sunanka 10000 ne Ok, C'est un peu la fourchette des prix donc voilà. pour euh, les cours de danse, c'est ça hein? Ok. D'accord yanzu kamar kai mutum nawa kake koya ma in ana iya kilga su. Wallahi suna da yawa tun kun gani an da sal in nan ina koya ma wasu kuma sal do gym wanda mm. suke so su yi dance eh, entretien de corps kuma ina ba da kur eh, privé ina ba da kur cikin école école Ok, on voit bien que ça bouge. Hein? C'est vraiment euh, un domaine plutôt dynamique. Maintenant, je veux bien savoir, et euh, Romaric, quelle place, selon vous, hein, quelle place occupe la danse dans la vie des jeunes, surtout en milieu urbain Est-ce que, voilà, il y a plein d'opportunités, il faut se lancer et tout Ou, euh, voilà, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent Qu'est-ce qui se passe Vraiment, quelle place ça occupe dans la vie des jeunes Vraiment, de mon point de vue, la jeunesse s'intéresse plus à la danse. Mais ils sont freinés par soit les études, ou la non-compréhension des parents. Le regard. Oui, hein. le regard des parents. Il y a, il y a beaucoup de parents, ils n'arrivent pas à comprendre. Ok, moi, je me dis, c'est un choix. Mhm. Vraiment, c'est un choix. Moi, j'ai commencé à danser, je faisais la sixième. Jusqu'à maintenant, j'ai fini mon master depuis 2017. Donc, et jusque-là, je n'ai jamais repris une, une classe de fois. Une classe, ouais. Donc, tout est, c'est, un point de vue. Quand tu dis tu peux, tu veux. Ouais. Donc la seule chose, et j'invite les jeunes à savoir s'organiser. Mais vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la danse. Mais comment, comment, comment le faire C'est ça le problème. Comment s'organiser Il y en a qui veulent en faire carrière. Oui, Ok. To, quand il y a un jour de par ton expérience, comment tu arrives à concilier les deux eh, oui, j'ai commencé. Ga eh, garwa. Comment tu gères ça comme je, peux, comme je le dis à chaque fois, la danse, c'est ma copine. Ah, c'est ta copine <laughs> Eh, si ta copine entend ça, moi, je suis pas dedans. Hein. <laughs> Non, elle sait. Ah, elle sait. Donc Qu'elle a une co Vraiment. C'est la danse. Je ne peux pas m'imaginer m'arrêter de danser. Donc, quel que soit le planning que je vais faire, dans la semaine, je vais essayer de placer la danse. Ok. Ah ouais. <laughs> C'est comme la copine. Alors, Eunice, me dis pas que la danse est ton copain. Sinon, je lève, j'arrête l'émission. <laughs> Eunice, alors toi, mhm. au fait, comment tu, vois euh, la place qu'occupe la danse chez les jeunes, de par ton expérience De par mon expérience, certains voient la danse comme un moyen de distraction. Certains voient la danse comme un moyen de faire carrière dedans. Et certains voient la danse comme du vagabondage. <laughs> il y a tout ça. Donc, euh, tout est une question de point de vue, comme l'a dit mon collègue Roma. Et euh, tout ce que moi, je peux, je peux dire, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre dans la danse, même de façon pédagogique et psychologique. Lorsque vous dansez, vous avez plus estime de vous. Donc quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui a un problème de complexité, qui a un problème d'affichage, qui a un problème de, de comment on appelle ça, de pouvoir se montrer en public ou de s'exprimer par exemple. À travers la danse, tu es capable de surmonter ces complexes-là. C'est quelque chose qui, qui vous permet de vous surmener, de vous comment on va surpasser. Dire ça voilà, hmm. de vous surpasser et de, de pouvoir aller au-delà de vos capacités. Vous arrivez à découvrir ce que vous n'arrivez pas à faire. Je vous donne un exemple. Lorsque vous devez danser, par exemple, sur un son, vous devez d'abord comprendre ce que vous devez faire sur le son. Vous devez d'abord comprendre le son lui-même. Vous devez calculer les pas que vous allez faire sur les mesures du son. Et vous devez savoir comment enchaîner les pas. C'est tout un travail, c'est tout un, processus. Arriver à un résultat, le présenter devant des gens qui arrivent à aimer ce que vous avez fait, vous pouvez être fier de vous. C'est énorme. <laughs> Comment en kamar wannan rawa wasu suna ganin ta kamar sana'a ce wasu kuma su da ta abin shakatawa a yi wasanni a yi rawa wasu kuma suna gani kamar abin na bata lokaci ne kamar an ga mai rawa an ga wani wanda baya da aikin yi baya da wannan ba su mai da rawa ba wata abu ita kuma tana cewa ita dai wannan rawa kamar tana da mahimmanci cikin rayuwar matasa matasa wanda wasu Eh, kamar ba su yarda da kansu ba ko in ka zo cikin jama'a ba ka iya magana kana ɗari ɗari in kana wannan rawa zakka iya kamar hiddo kanka zakka iya eh, jera me ake cema jama'a zaka zo cikin jama'a ba ka jin wani tsoro ba ka wani fargaba cikin abubuwan da kake kuma hallo sai ma ka aje hankalinka ne wuri guda zaka koyi wannan rawa ba kowa ne ma yake iya aje hankalin shi a ce ya koyi rawa har ya zo yi ta gaban jama'a har jama'a su su wadata da abin da mutumin yake nan gai ta ce to ita wannan hwarawa abin ta kumsa diya ne kuma tana da muhimmanci cikin rayuwar matasa yanzu kan mu ci gaba da hira tamu za ku mini proposant wata musique parce que à la fin en fait on a notre musique les gens ils dansent sur la fada on est avec des danseurs proposez-nous une musique qu'on va mettre d'accord au studio. ni je vais faire un peu de zarma ne mhm. ni ganu ni te bi boy ni ganu bongo bon <laughs> Allah ma mini k'a ce ko kan da mai kake yin rawa kum biskai ni in yi rawa bisa kai koyo eh, Allah kama an hausa fada kenan a hausa <laughs> an na kalla wuya ta wa zai yi mice yanke yana goda maka na shiga uku <laughs> to yanzu wata waka zani sawa beat Break beats, Break. Beat. break e gwada mu. Breakbeat. Kenan ifo ki duka masu mu su eh. Tunda an ah, na kake gan wani wakan kamar ba ta a shurara a zamana bace Ba daga zaune zuwa shurara ta ba. Ta ai rawa ce ko? Eh. Ok. Tout le monde n'a qu'à danser sur Breakbeat. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Placez le pied droit ah, devant. On y va. On change le pied gauche. On y va. Eh, ah, on bouge la tête. On bouge la tête. On bouge Les mains plus haut. Tendez les mains ah. plus haut. On y va. On y va. On y va. C'est parti. C'est chaud, c'est chaud. Du sérieux, les gars, je vous dis. <laughs> Je vous dis, hein. c'est sérieux cette affaire. Je viens à ma dernière question sur cette émission. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans votre activité C'est quoi vos difficultés Romaric, je commence par toi. Je peux le dire, il y a un manque de suivi. De suivi Suivi, oui. De l'État, si je peux le dire. Ok. Par exemple, prenons juste nos voisins, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas l'État, il y a des particuliers qui arrivent à organiser des concours annuel et qui ont une renommée internationale. Et ça manque ici au Niger. Pour vraiment juger ton talent, il faut affronter d'autres danseurs. Il ne suffit pas de dire que non, je apprends à quelqu'un à danser. Non. Là, tu ne peux pas te juger. Mais c'est à travers ces compétitions. Là, vraiment, tu peux juger de quoi tu es capable. Et c'est ce qui manque réellement ici au Niger on voit la détermination. En fait, je sais, vous la voyez pas, hein. c'est moi qui la vois, mais elle est déterminée de ouf, la nana que j'ai en face de moi. Dis-moi en fait, qu'est-ce que tu vises en fait avec ta compagnie, avec ta passion pour la danse par rapport aux défis et aux problèmes auxquels nous faisons face tous en tant que danseurs. Mon objectif euh, vraiment sur un long terme, et j'espère que ça arrivera vraiment, c'est de pouvoir professionnaliser et institutionnaliser la danse. Ah oui. De sorte à ce que un professeur de danse ou un danseur soit reconnu et payé de manière salariale. C'est qu'il y ait une école de danse dans laquelle on peut créer de l'emploi. On peut donner des cours de danse. Quand vous allez à l'étranger, a rawa ita on vous souhaite beaucoup de chance beaucoup de courage Si euh, cette émission, elle tire à sa fin, clairement, et nous allons avec la chronique de l'émission Tout ça à la Fada. C'est avec Seno 100% et on se reprend juste après. Bonsoir à vous, amis du FADA. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde de l'assainissement, un thème essentiel mais souvent sous-estimé. Nous explorerons les enjeux sociaux liés à cette question cruciale. Eh bien, qu'est-ce que l'assainissement L'assainissement, c'est l'ensemble des actions et infrastructures mises en place pour gérer les eaux usées et les déchets solides. Cela inclut la collecte, le traitement et la gestion des eaux usées ainsi que la gestion des déchets, des toilettes et des installations sanitaires. Les enjeux sanitaires. Un bon assainissement est la base d'une vie saine les maladies liées à l'eau non assainie et aux mauvaises installations sanitaires sont malheureusement courantes dans de nombreuses régions du monde. L'assainissement inadéquat a un impact direct sur la santé des populations, en particulier sur les plus vulnérables. Pour parler des enjeux environnementaux, il faut retenir que l'assainissement a également un impact sur notre environnement. Les eaux usées non traitées peuvent Contaminer les cours d'eau et les nappes phréatiques, entraînant une dégradation de la qualité de l'eau et des écosystèmes aquatiques. C'est tout pour aujourd'hui. Chers amis du FADA, on se retrouve demain dimanche, même heure, même canal pour la suite. Voilà, c'était la chronique de l'émission Tous à la Fada. Wannan fada ta mure ta zo ƙarshe. Mun yi rawa. <laughs> Wata rawa ma amma mun samu mun yi anan. Kun shi dai suka ce dai wannan rawar dai su dai tana da daraja wurin su kuma suna cin gashin kansu. Grâce à suna ga unhwaninta. kuma suna so a yi respectansu su a girmama su a ba su girman su abubuwa diya suke iya samu cikin fannin rawa in sun sana'a ta zaka mai da ta in kuma rawa ne kawai za ka yi don a huta lahiya za su ci gaba da wannan hira tare da abokin aiki na Habibu Garba